forum calam, le forum calam, le forum district le forum calam, le forum district le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Senia Yubakaka. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz, Kwarategi FM 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions, ainsi que dans plusieurs chefs-lieux du département, soit un total de 31 radios partenaires qui diffusent en direct nos programmes. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www le forum de ce soir porte sur la gestion des catastrophes au Niger, quelles sont les mesures prises et leur impact. Inondations, sécheresses, épidémies, invasions acridiennes, les conflits intercommunautaires, etc. Ce sont là, entre autres, des catastrophes naturelles devenues récurrentes au Niger, exerçant un impact significatif sur les performances macroéconomiques de notre pays. Ces dernières années, particulièrement, les catastrophes sont devenues l'objet d'une grande préoccupation pour les populations touchées ainsi que pour les autorités. En effet, avec les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Niger, plusieurs localités du pays ont été victimes d'inondations, aussi bien dans les centres urbains que dans le milieu rural, avec des maisons et des champs envahis par les eaux de ruissellement. La situation des catastrophes liées à la saison pluvieuse a atteint une telle gravité que les autorités, à travers le ministère en charge de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, ont décidé récemment de doter notre pays d'une politique nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. En effet, selon la synthèse du rapport du Fonds monétaire international FMI pour le mois de décembre 2016, rendu public le 21 juillet 2017, les effets néfastes des catastrophes naturelles sur la création de richesses du pays et sur la sécurité alimentaire entravent les efforts déployés pour réduire la pauvreté, alors que les dépenses publiques imprévues engagées pour répondre aux besoins d'urgence humanitaires qui en découlent sont à l'origine du dérapage budgétaire. Le même rapport précise que les impacts des catastrophes naturelles qui se répercutent également sur le niveau des pays constituent une source de volatilité pour la plupart des variables socio-économiques, notamment la croissance économique. Selon le rapport du FMI de décembre 2016, les catastrophes les plus néfastes ont été les sécheresses cycliques qui provoquent généralement des pénuries alimentaires, voire des famines. Viennent ensuite les inondations qui affectent essentiellement les régions désertiques d'Agadez et de Tawa où elles font des morts, détruisent les infrastructures routières et les logements et tuent des troupeaux entiers de bovins, d'ovins et de chameaux. À titre d'exemple, le rapport révèle que les inondations de 2010 et 2012 ont touché 500 000 personnes, celles de 2012 ayant fait 60 morts. Pour parler de ce sujet, nous avons dans ce studio Tahirou Mohamadou, chargé de communication du ministère de l'Action humanitaire. Tahirou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En ligne, nous avons l'honorable chef du village de Gabougoura, monsieur Adamou Saleh. Bonsoir. Bonsoir. Euh. Merci donc euh, d'être euh, l'invité donc de ce forum du studio Kalangou. Honorable, récemment, vous avez été victime euh, d'inondations dans votre village de Gabougoura. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation euh, Je peux vous dire, euh, c'est tout un drame parce que le 26 août 2017, tout le village de Gabougoura s'est réveillé les pieds dans l'eau. Il était 6h30 du matin quand les maisons ont commencé vraiment à s'effondrer. la désolation partout, sur tous les visages, les gens criaient, d'embader dans tous les sens. C'est vraiment un drame total. Et qu'est-ce qui, selon vous, a provoqué cette inondation du village de Gabougora Bon, l'inondation de Gabougora, euh, je peux tenir compte de plusieurs phénomènes. C'est vrai que le phénomène euh, climatique, euh, il y a un changement ces derniers temps, donc sur le plan climatique, oui. qui est dû à plusieurs phénomènes aussi. Et il y a aussi et vraiment euh, l'intensité de cette pluie-là. Cette pluie était venue avec une certaine vivacité et donc euh, avec un vent violent qui a occasionné donc euh, la destruction de tout sur son passage. Uh-huh. Et je peux aussi mettre en cause euh, cette nouvelle route que nous avons pu bénéficier, la route nationale numéro 1, qui communique de Yantala, Goudel, Losugungu, donc cette route-là a été construite vraiment sans tenir compte de plusieurs facteurs. Et hum, aujourd'hui le village de Gabougra à entier, victime euh, vraiment de cet état de fait. Parce que quand on a fait la route, ils n'ont pas tenu compte des eaux de ruissellement et de tout ce qui est bras qui peut quand même, qui quitte euh, un certain nombre euh, de courries et qui vont directement dans le fleuve. Ils ont fait ce goudron de manière à une certaine hauteur que quand l'eau vient, elle finit dans toute sa course au niveau du goudron et qu'est-ce qu'elle fait Elle retourne dans les villages. Donc je peux vraiment soi-disant indexé, disant que directement cette route-là a été mal. Honorable chef, nous reviendrons à vous dans un instant. Monsieur Tahirou Mohamadou, vous êtes chargé de communication du ministère de l'Action humanitaire. Monsieur Tahirou, comment expliquez-vous d'abord les catastrophes naturelles au Niger Merci, monsieur Ayouba. Bon. Euh, les catastrophes naturelles, euh, comme vous le savez, elles sont caractérisées par euh, l'intensité d'un agent naturel d'une façon anormale. Donc parmi ces agents naturels, on peut distinguer les inondations, euh, les tremblements de terre, les avalanches, la coulée de boue, etc., la sécheresse. Donc euh, c'est ça qui constitue de par euh, la définition de la rousse comme étant les catastrophes naturelles. Et parmi ces catastrophes naturelles, les le plus souvent qu'on peut enfin celles qui sont récurrentes au Niger ces derniers temps, ce sont surtout les, inondations et les sécheresses. Bien entendu, parmi ces catastrophes, on peut aussi, comme vous l'avez dit dans votre introduction, euh, introduire aussi les épidémies. Mais pour l'instant, pour le moment, nous, ce qui nous préoccupe le plus souvent, ce sont les inondations. Oh, donc euh, la, la, sécheresse, euh, elle est aussi une catastrophe naturelle, mais ce volet, il est directement euh, géré et par la, prémature, donc au niveau du CCA, la crise alimentaire. Quel est le travail concret exactement du, du ministère de l'Action humanitaire aujourd'hui Bon, le travail concret du ministère de l'Action humanitaire, comme l'on l'indique, c'est effectivement assister aux personnes en détresse, aux sinistrés, et gérer aussi d'une manière prompte les catastrophes naturelles. En quoi faisant et tout récemment, eh, au début du mois de, juin, donc euh, le ministère a commencé à élaborer, donc avec euh, avec l'appui de ses partenaires, la politique nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Donc actuellement, son élaboration n'est pas terminée. Nous osons espérer que d'ici fin novembre, donc euh, l'État du Niger, le gouvernement, prendra un acte, donc va adopter cette politique d'immense de, de la gestion des catastrophes et de l'action humanitaire. D'accord. Honorable chef, quelles sont les conséquences liées à cette euh, inondation que votre village a vécue Oui, les conséquences euh, sont multiples, je vous dis. Et actuellement, euh, nous sommes à un pas du démarrage euh, de la rentrée scolaire. Ah nous, ici, actuellement, nous faisons face à ce problème-là. J'ai au moins 67 personnes qui habitent encore les écoles, malgré les ordres que j'ai donnés d'évacuer. C'est-à-dire, ils n'ont pas là où ils peuvent quand même se caser. Vous voyez là où nous avons connu plus de 291 maisons effondrées. Ah oui. ça, donc je peux vous dire que les conséquences sont multiples. Dieu merci, le ministère de la Santé publique a automatiquement mis en place euh, une équipe médicale de 11 personnes et une prouesse vraiment au ministre de la Santé, Simonta. Oui. Et oui, au niveau de l'État aussi, l'État n'est pas resté les bras croisés. Nous avons été assistés automatiquement en vie, mais jusqu'à présent, nous attendons parce que quand on est sinistré, celui qui perd sa maison, la première des choses, c'est d'avoir un logement ou se caser d'abord. La nourriture, nous bénéficions chaque jour vraiment à travers les ONG et l'État en particulier. Mais par rapport à ces conséquences-là, vraiment, ça va beaucoup affecter le moral de cette population-là qui ne peut pas comprendre pourquoi sont-ils victimes. Parce que moi, de ma génération, je fais les 60 ans. Je n'ai mhm. jamais connu de telles catastrophes. Durant cette épreuve, quel a été le rôle que la protection civile a joué Ah, la protection civile, euh, une heure après, était à nos côtés. C'est mhm gens euh, vraiment déterminés et ils nous ont assistés dans l'évacuation même euh, des gens euh, qui sont encore restés dans l'eau et automatiquement ils ont pris en charge ceux qui sont blessés et une équipe est venue travailler avec nous pour dénombrer le nombre de sinistrés et voir dans la mesure du possible comment nous pouvons les assister automatiquement en les mettant à l'abri et en essayant de manière psychologique secours pour que vraiment ces gens sentent que malgré ce problème-là, qu'ils demeurent sincères et qu'ils gardent toute leur dignité. Durant également ces épreuves, vous avez entendu, il y a le représentant du ministère de l'Action humanitaire qui est là présent. Qu'est-ce que ce ministère a fait pour le village de Gaboura Bon, le ministère, euh, je ne peux pas dire ce que le ministère a fait parce que je ne connais pas quels sont les représentants du ministère qui sont venus au niveau du village. Nous n'avons pas eu de contact direct avec euh, ministère-là pour que je puisse déterminer quels sont les agents de ce ministère qui sont venus nous assister. Comme on l'a dit, des vivres nous parviennent, mais nous ne savons pas le canal exact d'où sortent vraiment ces vivres-là. Mais il y a des ONG qui se manifestent. Le bien, le ministère existe, mais nous n'avons pas vu tellement d'impact. Tahiro Amadou, comment est-ce qu'en cas de situation euh, de catastrophe, euh, le ministère intervient Est-ce que c'est des personnes tierces qui prennent contact avec le ministère Comment est-ce que ça se fait Dans chaque euh, région, nous avons des structures. Donc, c'est des structures organisées qui sont autour des, gouverneurs. Et donc, ces structures-là, elles sont gérées par les secrétaires généraux adjoints du gouvernorat. Uh-huh. Et donc, ces structures où euh, enfin, tous les services euh, techniques sont membres. Donc, nous avons les services techniques de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, de la protection civile, et des autres cadres qui sont le maire des communes aussi à euh, des, sections sous euh, comment on appelle ça communales là aussi ce sont ces mêmes structures là qui sont censées à chaque fois quand il y a par exemple une inondation donc c'est eux qui appellent directement le secrétaire général adjoint du gouvernorat pour lui signifier ben, écoutez voilà dans telle euh, structure dans telle région dans telle localité nous sommes menacés voilà voilà ce qui se passe et si ce monsieur-là peut gérer directement cette catastrophe, par exemple si c'est une catastrophe minime et qui n'a pas besoin que le, niveau central intervienne, donc à ce niveau, les gens se réunissent très rapidement et ils voient euh, les mesures qui sont à prendre pour vraiment euh, atténuer ce problème-là. Mais si c'est par exemple des catastrophes qui sont d'ordre grandiose, alors donc, euh, le gouverneur euh, il appelle le ministre de l'Action humanitaire directement et lui aussi fait son compte rendu au Premier ministre et les gens s'organisent pour voir comment il faut euh, attaquer le problème qui est en train de, se produire dans telle ou telle localité. Voilà comment ça se, présente. pour le cas de Gaboukoura, est-ce que le ministère a eu à intervenir Bon, pour le cas de Gabogoura, c'était une période où le ministère était pratiquement en congé, mais cela ne veut rien dire. C'est directement la prémature qui avait pris le problème de Gabogoura en charge. Uh-huh. Et le ministre de l'Action humanitaire était en congé, il y avait son intermédiaire qui était le ministre de la Santé. Donc, euh, avec le ministre de la Santé et la prémature, ils ont directement pris le problème de Gabogoura en charge Personnellement, le Premier ministre a effectué le déplacements à Gabagura Et bien avant qu'il ne soit là-bas, c'était, vous avez parlé de ce système-là, donc il y avait la protection civile qui était là-bas. Ils ont recensé, ils ont vu, ils ont constaté et ils ont remonté l'information et après, une aide lui a été accordée. Et d'autres aussi, chancellerie, effectivement, ils ont même euh, emboîté le pas au gouvernement pour donner un peu de souffle à la population de Gabagoura. D'accord. Vous l'avez dit il y a quelques instants, le gouvernement nigérien a décidé d'adopter une politique nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Vous êtes exactement à quel niveau aujourd'hui Bon, et pour l'instant, nous sommes presque à la fin parce que le document doit être déposé au bureau du ministre au plus tard en mi-novembre. Puis le lancement de l'élaboration, un comité en train de travailler. Même euh, la semaine passée, ils sont venus euh, chez le ministre pour euh, un certain nombre de, questions et d'éclaircissements. Ce qui est sûr, c'est que euh, la politique, sera prête, plaise à Dieu, en fin novembre. Donc le gouvernement va l'adopter en fin novembre. D'accord. Mm. Honorable chef, est-ce que à cette date, le village de Gabougoura est habitable le village, euh, bon, de manière euh, partielle habitable, mais je ne peux pas dire en totalité. Comme je l'ai dit tantôt, euh, un petit village comme le nôtre qui se voit avec 291 maisons effondrées, c'est pas facile à ce que les gens puissent dire que vraiment ils sont logés. Et mmh. comme je l'ai dit aussi plus haut, nous avons actuellement le problème de ceux qui habitent encore les écoles. Et Gabougra, c'est un village. C'est pas comme Niamey où on peut trouver rapidement et des maisons vides ou des trucs comme ça pour loger vraiment ces sinistrés-là. Voilà le problème auquel présentement nous sommes confrontés. Et donc, nous avons, tout récemment, j'étais même à la primature, comme il le disait, j'étais à la primature pour faire mon cri de cœur par rapport à ça. Parce que nous avons besoin de bâches, au moins serait-ce que faire des tentes dans des endroits spécifiques à nous pour pouvoir loger ces gens-là en attendant que euh, ce qu'il disait par rapport au ministère, il faut venir aider cette population Selon vous, est-ce que de par cette expérience que vous avez vécue, est-ce qu'on peut prévenir ces catastrophes Oui, on peut prévenir les catastrophes euh, parce que euh, je vous ai dit, les catastrophes actuellement, les catastrophes sont multiples. Vous avez le changement climatique, vous avez plusieurs aléas qui peuvent euh, amener à vivre des catastrophes. Comme la route aussi, la route nationale numéro 1 dont je vous ai parlé. Oui cette route nationale, si rien n'est fait, ça veut dire que l'année prochaine encore, nous allons vivre la même situation. Parce qu'il faut faire, il faut faire des, des endroits d'évacuation. Le vient est stagné, elle retourne euh, chose euh, dans le village. Ça veut dire qu'il faut créer des passages, il faut faire des couloirs de passage à l'eau pour que vraiment il continue sa course vers le fleuve. Donc malheureusement, les gens n'ont pas pensé à ça. Je ne sais pas comment les techniciens ont fait. c'est un village, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est ce que moi, je peux vraiment. En fait, vous n'avez pas le sentiment que les mécanismes mis en place par l'État pour juguler l'impact des récurrentes catastrophes au Niger produisent des effets Ça produit des effets parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand il y a eu le problème euh, de Gabougra, vous avez vu la réaction spontanée de l'État. Le chef de gouvernement en question lui-même est venu 12 heures après. Vous avez vu donc la réaction, elle est positive. Et les sapeurs-pompiers ont suivi le maire euh, du premier arrondissement a suivi. Donc, tout ce qui est la chaîne a suivi. Donc, hmm. euh, je peux dire que vraiment, c'est positif. Si les gens se euh, voient dans ce sens-là, périodiquement. En tout cas, on peut juguler, on peut mettre vraiment ces catastrophes-là de côté, parce qu'avec la réflexion de tout un chacun, on peut trouver quand même des issues prochainement pour que ces gens de ne se répètent plus. D'accord. Monsieur Tahiro Amadou, vous disiez tantôt que la politique euh, nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes est en cours d'élaboration. Et sur quelle base le ministère aujourd'hui travaille Bon, euh, le ministère, il a ce qu'on appelle les attributions du ministère. Il y avait euh, beaucoup de directions. Il y a une direction de, des alertes euh, aux catastrophes. Il y a une direction de secours humanitaire. Donc, les attributions du ministère sont très claires. Donc, euh, c'est en fonction de ces attributions-là qu'il est en train de travailler. Maintenant, c'est-à-dire il y a, d'autres services techniques qui ne sont pas aussi au niveau du ministère, par exemple comme la direction générale de la de la protection civile, qui sont des organes techniques euh, qui viennent en appui au ministère. Donc c'est avec tout ce beau monde-là que le ministère est en train de travailler. Mm. Il a un plan d'urgence qu'il est en train de mettre en place. Donc, euh, depuis l'année dernière, parce que vous savez, eh, bien avant, avant même que les saisons, ne il ce qu'on appelle la réunion pour préparer ce qui va arriver avec OCHA et avec l'ABN euh, la BN. Il y a des prévisions. Donc, euh, à telle période, par exemple, il y aura beaucoup, il y, aura Par exemple, tout récemment, vous savez, le 1er septembre, il y avait eu l'alerte jaune que la BN avait diffusée. Donc, à travers euh, le ministère de l'hydraulique, qui est le ministère de l'action humanitaire, il y a eu vent, il a et là, directement, donc, euh, prévenu le gouvernorat, voilà ce qui va se passer. Il faut alerter ces, populations, il faut qu'elles quittent. Nous avons même, euh, au niveau du ministère, identifié un site au cas où la montée des eaux va persister. Nous allons les dégager, ceux de la commune, euh, de l'arrondissement communal numéro 5, pour les amener à la route de Saï. Il y avait un site qui a été identifié qu'on appelle euh, le Kangamu. Bon, euh, heureusement, euh, il y a plus de, de peur que de mal, donc les, les niveaux des eaux avaient diminué. Et ça, en attendant que, que cette loi-là ne soit adoptée, le ministère travaille avec un plan, un plan qu'il a lui-même élaboré avec son staff, avec le gouvernement. Est-ce qu'à cette date, vous pouvez nous faire la situation des catastrophes qu'a connu le pays durant cette année 2017 Oui, oui effectivement, nous avons un, un condensé en tout cas à la date du 25 euh, septembre 2017. Mhm. Euh, Donc les inondations euh, qu'ont enregistré le Niger, ces fortes pluies là ont engendré beaucoup de choses. Je parle par les maisons effondrées. Nous avons 8177 maisons effondrées mhm. à la date du, 25 septembre 2017. Nous avons 1090 cases effondrées. Nous avons 27 733 ménages sinistrés. Et nous avons enregistré très malheureusement 54 personnes qui sont décédées, mhm. euh, nous avons euh, des pertes en bétail, donc le gros ruminant, nous avons perdu 15 937. Enfin, ça, c'est les, petits ruminants, du moi excusez-moi. Les gros ruminant, nous avons perdu 111 têtes. Les céréales, nous avons perdu 8 euh, 473 tonnes. Donc, la volaille, nous avons perdu 206 les aires de culture, nous avons, donc les eaux ont endommagé 9804 hectares. nous avons 31 classes effondrées et 709 puits endommagés. Ça, c'est un, résumé de l'ensemble du, euh, de l'ensemble du pays. D'accord. Est-ce que par rapport à, ce bilan, le ministère est en train d'intervenir sur tous les sites concernés Bien sûr. Donc, euh, à travers tous ces bilans, euh, nous avons un besoin et un dégât. par exemple, quand vous prenez la ville de Niamey, dans la ville de Niamey, on a assisté 673 ménages Mm. Donc sur les 2269 sinistrés, à Dosso, nous avons secouru 1000 ménages sur euh, les 10 063. À Maradi, 1000 ménages aussi ont été vraiment secourus. Uh-huh. Et à Zander, 354. Euh, Maintenant, pour l'ensemble de tout ce qui des actions que le ministère est en train de faire avec ses partenaires, c'est vrai, nous avons ce qu'on appelle les, biens non alimentaires, il y a des biens alimentaires. Ah donc ici, les besoins pour l'ensemble, donc le besoin d'un alimentaire, les besoins s'élève à 55 467. Maintenant, nous avons acquis 1972 et nous avons un gap de 53 495 que nous demandons aux bonnes volontés, aux, acteurs humanitaires euh, de combler. En ce qui concerne les céréales, nous avons un besoin de 2 736 963 tonnes. Donc nous avons acquis 332 000 et un gap de 2 404 643. Et en termes de sucre, nous avons 536 666. Nous avons acquis 13 388, c'est de et il y a un cap de 125 279. En termes d'huile, nous avons 138 aussi 666 et nous avons 19 265 que nous avons acquis et il y a 119 461 comme gap. Honorable chef, vous avez entendu un peu le soutien de l'action humanitaire justement aux populations concernées par, ce sinistre. Au niveau de la région de Niamey, M. Tahirou parlait d'environ 600 ménages qui ont été concernés. Est-ce que ceux de votre village ont été concernés par cette aide du ministère de l'action humanitaire Oui, euh, le village de Gabougra a toujours euh, bénéficié autant que les autres euh, mhm. quartiers et villages de la région de Niamey. Tout récemment même, euh, nous avons bénéficié euh, d'un certain nombre euh, de tournages de vivres. Nous avons reçu vraiment pas mal, comme il l'a dit. Uh-huh. chaque fois qu'il y a une répartition, le village de Gabougra en bénéficie aussi. Vous disiez tantôt que récemment vous étiez à la primature pour porter encore votre cri de cœur concernant les personnes qui sont sans domicile à la date d'aujourd'hui. Est-ce que vous ah. avez eu une réponse favorable et affirmatif, euh, j'ai même euh, vu donc euh, certains responsables de la primature qui m'ont dit pour ce qui est de l'appui au niveau donc de ces sinistrés là pour la reconstruction de leur habitation et autres, nous il mhm. faut monter un dossier. Quelqu'un qui est sinistré, est-ce qu'il a le temps vraiment de monter un dossier Nous vraiment c'est que l'État est venu, les gens ont vu mhm. réellement ce qui s'est passé et que toutes les constructions sont euh, en matériaux vraiment archaïques, c'est le banco. J'ai même mis en cause l'État parce que l'État, au moment où elle faisait la route nationale numéro 1, a promis de dédommager tous ceux qui seront pris dans l'emprise de cette route-là. Malheureusement, à ce jour, le village de Gaboura n'a rien bénéficié. Goudal a été désintéressé, et euh, a été désintéressé, Sudure a été désintéressé, Kwassé a été désintéressé, Sandibi a été désintéressé. Ils ont sauté Gabugura. Si Gabugura avait bénéficié de la même manière que ces autres villages, ils allaient construire en matériaux définis. Donc vous voyez ça vraiment, c'est j'ai dit à l'État, je ne peux pas comprendre pourquoi les autres ont été dédommagés alors que nous, du village de Gabugura, quels étaient les critères qu'ils ont mis en avant pour... Parce que quand on regarde parmi tous ces villages-là, euh, ceux qui sont les plus démunis, hein, c'est le village de Gabougra. Est-ce que vous avez porté ce... Oui, je portais ça à la primature. Je veux dire avant, avant les inondations. Mais c'est après les inondations que j'ai attiré parce que si ça avait, été fait, on allait être moindre au moment des inondations comme les autres. Si vous prenez, demain, prenez votre véhicule, prenez la route Yantala pour aller vers du oui. vous allez voir que c'est seulement Gabougra aux abords de la route que vous avez du Banco. Tous ces gens ont été mis dans leur droit. ils ont construit en matériaux définitifs. Donc en grande partie, c'est la construction de, cette voie qui a beaucoup plus causé cette inondation pour le village de Gabougra. En tout cas, moi, je peux dire que ça nous a affectés. Ça nous a affectés parce que eh, les gens n'ont pas tenu compte c'est-à-dire, auparavant, quand il n'y avait pas ça, l'eau passait, il y avait des pluies qui étaient encore plus torrentielles que celles-là. Mais s'ils avaient pensé que tous les 300 mètres, les 400 ou 500 mètres, il faut faire un passage d'eau, ça n'allait pas vraiment se passer de cette manière-là. Vous êtes venu, vous-même, vous avez constaté qu'il y a un seul passage d'eau, plus de combien de kilomètres distant, et comment vous voulez que l'eau passe Honorable chef, la gestion des risques de catastrophe vise à protéger les personnes et leurs biens. Euh, selon vous, de, par votre expérience, comment réduire et mieux prévenir ces risques de catastrophe Pour réduire les risques de catastrophe, comme je l'ai dit, dans un premier temps, c'est d'attirer l'attention, c'est-à-dire à travers la sensibilisation, que ce soit par vos-mêmes médias, que ce soit en contact physique avec ces populations-là, attirer l'attention des populations sur le genre euh, de maisons qu'il faut construire, où il faut construire ces maisons-là, et d'être à l'écoute de ce que diront les décideurs, de faire attention, de suivre même la météorologie. Euh, c'est pas pour rien que à la, euh, à la télé, à 20h30, on commence d'abord par la météorologie. Ils doivent écouter, ils doivent être vraiment sur le même diapason pour suivre ce qui est en train de se passer et de prendre leurs propres dispositions population aussi ne soit pas aussi réticente quand l'autorité vient dire que ah, là c'est un passage d'eau, il ne faut pas construire, que ces gens s'entêtent et construisent. Et que l'État aussi soit à l'écoute vraiment de cette population-là. Quand une autorité vient dans un village, c'est d'aller vers la population, d'écouter la population, parce que nous avons constaté qu'il y a des ONG qui font des sensibilisations et qui viennent, qui n'associent pas le premier responsable. Et si le premier responsable n'est pas associé, comment mais il peut y avoir catastrophe, parce que seul le chef est habilité à éviter ce genre de catastrophe-là. Donc voilà, il faut intensifier la, euh, la sensibilisation et qui doit continuer, c'est-à-dire de ne pas vraiment euh, laisser cette population à elle-même. Ça peut quand même éviter beaucoup de risques. Euh, Monsieur Tahirou, oui. La gestion des risques de catastrophe vise à protéger, je le disais tantôt, les personnes et leurs biens. Comment réduire et mieux prévenir ces risques de catastrophe Effectivement, euh, pour euh, mieux garantir une certaine sécurité aux populations, c'est vrai, il faut prévenir ces genre de, risques. En quoi faisant Donc, dans, le, dans, la politique euh, nationale de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, donc euh, nous avons hum, identifié un certain nombre d'actions. Donc ces actions-là sont quoi C'est-à-dire euh, il y a des zones qui sont inconstructibles. C'est-à-dire ça, ce sont des, des, zones qui sont à côté des eaux. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est la, la voie des eaux. Et les gens, euh, continuent compte tenu de, si vous voulez, la démographie, les gens continuent à habiter ces zones-là. Donc nous, dans la politique, on va les faire déloger de ces, de ces endroits et les amener plus en hauteur, là où les ne peut pas les, rattraper. Et aussi euh, à travers des campagnes de sensibilisation pour leur dire, écoutez, en cas de catastrophe, quand vous voyez par exemple euh, en dehors même des, des, des, eaux de ruissellement, il y, a, aussi souvent il y a la crue du fleuve. Par exemple, à Niamey, il y a la crue du fleuve. Souvent, c'est même pas la pluie. Et il y a des, stratégies de communication que nous avons élaborées et que nous allons diffuser à travers les médias, pour euh, sensibiliser ces populations-là afin qu'ils prennent leurs dispositions. Est-ce que le Niger fait partie encore des pays à risque de catastrophe naturelles Vous dites tantôt que vous travaillez avec la BN. Effectivement. Bon, les risques de catastrophes ici au Niger, c'est, comme j'avais dit ça tout à l'heure, en fait, c'est plus la sécheresse et, les inondations. Donc, euh, actuellement, donc dans le plan, de, dans la politique du moins de l'action humanitaire de la gestion des catastrophes, donc euh, nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale, donc on appelle CRUZ. Donc c'est une structure euh, qui regroupe euh, l'ABN, la météo, le ministère de l'hydraulique et, le ministère de l'action humanitaire pour voir donc à chaque fois quand il y a des informations comment il faut les partager donc avec la population, comment le gouvernement va va-t-il prendre des actions pour atténuer ces, ces genres de risques et alerter les populations. Donc c'est dans ce sens-là on peut dire effectivement que le Niger est un pays à risque euh, compte tenu de, cette récurrence des inondations parce que depuis 2010, chaque année, on assiste à ces genre de, catastrophes. Donc c'est partant de ce constat que euh, le ministère de l'Action humanitaire avec ses partenaires donc dans la politique euh, donc de l'action humanitaire de la des catastrophes ont introduit un mécanisme uh-huh. de prévention donc qui à chaque fois qu'il sera automatique. Par exemple, euh, la météo envoie A et dans, à telle période, il y aura tel nombre de pluies. Et donc, directement, euh, le ministère de l'Action humanitaire, automatiquement, donc, il prend ses relais donc, à travers ses cellules de communication pour alerter donc, tous ses partenaires et c'est pour points focaux qui sont à l'intérieur des pays pour les avertir. Écoutez, prenez telle, telle, telle disposition parce que eh, à telle période, il y aura telle chose. Voilà comment le ministère envisage vraiment atténuer ces genres de catastrophes-là au Niger. D'accord. Honorable chef, est-ce que à votre niveau vous avez des mécanismes justement euh, pour euh, informer votre population pour des risques euh, éventuels d'inondation ou, ou, de ou, ou de crues du fleuve Niger? Est-ce que vous avez l'habitude euh, Nous avons, euh, au niveau des villages, nous avons monté aussi, comme nous ne pouvons pas le faire de la même manière que l'État, oui. mais nous avons des cellules qui, s'organisent chaque fois. Nous avons des gens qui donnent l'alerte, par exemple ceux qui sont les riverains directs du fleuve, qui avertissent le chef que vraiment ils ont fait un constat que ces derniers temps, euh, il y a eu une montée vraiment des eaux. Et nous euh, aussi, à notre niveau, on appelle directement le gouverneur pour lui faire part de nos inquiétudes par rapport à la montée des eaux. Et par rapport aussi eh, aux constructions anarchiques. Parce que de fois, on vient nous alerte qu'il y a des gens qui sont réticents malgré tout ce que nous donnons comme conseil, malgré tout ce que nous donnons comme observation, ces gens qui la construisent dans des endroits inhabités, qui ne doivent pas être habités. Parce que quelqu'un qui construit sa maison dans un, passage d'eau, ça veut dire que vraiment ce gars, il est en train de provoquer même les gens. Donc, euh, nous avons des cellules, effectivement, mais nous ne pouvons pas prévenir les catastrophes comme euh, l'État le fait, disposant de la météo et autres. Mais nous avons quand même des indicateurs qui nous disent que vraiment, il faut faire très attention par rapport même à la, pluie. Comme je l'ai dit, euh, le problème même mystique n'existe plus maintenant. Auparavant, nous, dans nos villages, on faisait ce qu'on appelait Yenandi travers ce Yenandi là, on nous disait, faites très attention cette année, il y aura des catastrophes. L'eau va tuer les gens, l'eau va déborder, l'eau va, vous aurez des inondations. Ah Mais maintenant, nous sommes revenus vraiment sur une autre voie, et les gens, tout ce qui est Aujourd'hui, en cas de catastrophe, par exemple, après l'inondation du village de Gabougoura, et après tout ce que vous avez vu, les interventions des ONG, des projets de l'État, qu'est-ce qu'il faut améliorer selon vous fait, qu'il faut améliorer, c'est-à-dire qu'il euh, il faut qu'il y ait une certaine coordination dans les actions. Même euh, si l'aide vient de manière désordonnée, c'est-à-dire on ne sait pas qui appuie qui les choses, tout doit être vraiment de manière coordonnée. on doit savoir quel est le besoin réel de cette population par rapport à telle catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut amener Par exemple, euh, quelqu'un qui est démuni, c'est-à-dire sa maison est effondrée, il n'a rien. Ah la première des choses, c'est de, trouver un toit. Ah ah, comment il peut trouver un toit En lui amenant des bâches, en lui amenant même, euh, euh, en lui payant des secours, des trucs vraiment qui sont adaptables euh, à, son contexte. Voyez, Vraiment, c'est sur ce genre de trucs qu'il faut beaucoup insister, qu'on approche, même si on veut nous payer certains trucs, qu'on approche la population, quels sont vos besoins réels par rapport à cette catastrophe. Mmh. D'accord. Tahiro Amadou, est-ce qu'il ne revient pas justement au ministère de l'Action humanitaire de coordonner justement les interventions de tous les acteurs qui interviennent dans la gestion des catastrophes Oui, effectivement, ça c'est dans la mission même du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des, catastrophes. Chaque soir, maintenant, depuis que l'innovation avait commencé ici en il y a une réunion qui se passe chaque soir au niveau du ministère de l'Action humanitaire. et cette réunion, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a la protection civile, il y a les, les acteurs humanitaires comme hein? OCHA, il y a les autres ONG internationales qui interviennent donc dans l'action humanitaire. Euh, c'est au cours de cette réunion, de chaque soir, que les gens identifient quelles sont les actions à prendre le lendemain en cas d'inondation, quelle est la voie à suivre en cas d'inondation, quelle est la solution à prendre en cas de tel ou tel ou tel risque. Donc je crois que ça, c'est la, mission régalienne du ministère, donc c'est lui qui coordonne effectivement. Mais dans la pratique, est-ce que le ministère le fait Oui, dans la pratique, effectivement, le ministère le fait. Bon, il y a comme il n'y a pas que le ministère. il y a des interventions quand même qui lui échappent. Oui, effectivement, ça on peut ne pas. Il y a certaines interventions, ça c'est le nouveau supérieur, par exemple, la primature peut intervenir. Ça, ça c'est quand même il informe le ministère, mais souvent aussi le ministère n'est pas informé. D'accord. Honorable chef, des catastrophes comme les inondations, quelles sont les conséquences sur la vie d'une population et de tout un village comme Gabougura euh, les conséquences sont multiples, je vous disais. Pour quelqu'un qui est sinistré à 100%, cette personne-là, de manière psychologique même, il faut l'assister. Oui. Ne l'assister pas seulement en vivre, mais de manière psychologique, que les docteurs les écoutent, leur faire comprendre que ça, ce n'est rien du tout, que c'est des phénomènes, c'est dû à des phénomènes, c'est tout à fait logique que ça arrive, ouais. Donc, il n'y a, pas tellement de suivi, comme je l'ai dit. Il, a dit qu'il y a des, réunions qui se font chaque jour, chaque. Mais nous autres, qui sommes les vrais acteurs, qui sont sur le terrain, est-ce que nous sommes associés à ça Est-ce qu'on a eu à penser que vraiment, en incluant ces populations-là dans certains débats, ils peuvent apporter leur science Voilà des trucs. Parce que quelqu'un qui est sinistré, qui n'a jamais connu. Moi, j'ai une femme, j'ai tout fait pour la dégager de l'endroit, elle refuse. Elle me dit, ah, il faut d'abord que tu m'enlèves tout ce que j'ai comme effet. Ça, mes effets, je ne quitte pas. Cette personne a besoin d'être aidée psychologiquement. Le chef de village n'est pas outillé dans ce sens-là pour mener des actions euh, psychologiques. Je peux faire de mon mieux, mais vous voyez donc, nous attendons Le suivi des victimes, associer les victimes justement au cours des réunions de, haut niveau, est-ce que vous le faites euh, Bon, les victimes, non, mais nous, c'est les, les, institutions d'abord, les institutions et les ONG internationales et les systèmes des Nations Unies. Donc, tous ceux qui s'occupent de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Pour ce qui est des victimes, non. Là, c'est le gouverneur, donc, euh, au cours de ces réunions avec les, les, communes, c'est au cours de ces genres de réunions-là qu'il développe certains messages à, l'endroit de ces, personnes. là euh, Tahirou, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes en train de mobiliser les fonds Vous avez parlé de tout ce que vous avez besoin pour apporter l'aide nécessaire justement à ces populations victimes. Bien avant ces générations, et il y avait eu une réunion avec les partenaires. Donc les partenaires humanitaires, il y avait eu une réunion d'une journée au cours euh, de laquelle là, il y avait eu des discussions autour de comment les autres vont mobiliser l'argent et comment les autres aussi vont aider le ministère. Donc il y a ceux qui, par exemple, quand vous prenez l'UNICEF, euh, OCHA, l'OIM et HCR, donc il y a ceux qui ont déjà, parce que moi avant-hier là je viens de, de Gaïa, où il y avait beaucoup de kits donc non alimentaires qui sont offerts par euh, l'UNHCR et, et, OIM. Donc il y, a, ces structures-là qui ont dit qu'ils vont prendre, chacun a pris selon, ses efforts, qu'il va prendre telle ou telle ou telle partie. Donc, mais nous, euh, ce qui nous intéresse le plus, d'abord avant qu'il y ait ces, ces genres de, de transactions, il faut qu'on identifie exactement qui sont les bénéficiaires. Parce que souvent, c'est là où il y a un problème entre euh, la protection civile euh, et les, villageois souvent dans certains villages, les gens gonflent parce qu'il faut qu'on identifie, qu'on part sur le terrain, on constate celui-là, il est cette personne, elle est victime effectivement, on prend, on la prend en charge. Donc c'est ça qui traîne un tout petit peu, mais sinon le ministère euh, avec ses partenaires, ils sont en train vraiment de se concerter pour voir comment ils vont aider ces personnes sinistrées. Honorable chef, souvent effectivement, il y a un problème au niveau de l'identification des victimes. Certaines personnes qui ne sont pas effectivement des victimes sont identifiées. On l'a vu le cas en 2012 au cours de ces inondations de 2012, notamment à la, à la rive droite et dans beaucoup d'autres localités du Niger où des personnes qui ne sont pas des victimes effectivement ont été recensées et pratiquement ce sont eux qui ont bénéficié des aides et non des vraies victimes. Oui, ça vous le dites euh, vraiment, c'est normal, ça arrive. Euh, qu'est-ce qui fait cela C'est la précarité que vit cette population-là. C'est-à-dire, euh, quand vous voyez dans l'ensemble, ceux qui sont victimes et ceux qui ne sont pas victimes sont tous vraiment très précaires. Ils n'ont pas de quoi vivre. Donc c'est pourquoi d'autres se faufilent, faisant le malin. Et s'il n'y a pas un contrat comme euh, il l'a souligné, qui échappent même euh, à nous autres chefs traditionnels, qui nous échappent, qui se font sinistrés alors qu'ils ne le sont pas. Ça, ça fait logique, euh, c'est vrai, les gens se le font. Mais nous, c'est pourquoi nous avons dit, même s'il y a eu un premier recensement, nous, nous allons suivre pas à pas, pas à pas, pour définir réellement ceux qui sont les vrais sinistrés. Parce que nous ne pouvons pas concevoir quelqu'un qui n'est pas sinistré, qui est dans son taudis, et que quand on amène quelque chose, lui qui sent pas, ça nous avons dit non. C'est pourquoi nous avons demandé même à la protection civile, quand ils vivent la vie, de nous laisser gérer. Parce que les gens, eux, ils peuvent mentir, mettre leur nom. Mais le chef, lui, il est je ne peux pas accepter. Toi qui n'es pas victime, tu viens prendre la part vraiment de quelqu'un qui a tout perdu. Et aujourd'hui, vous avez la liste exacte de mm, toutes les victimes, les vraies victimes de Gabon. J'ai tout, recensé, je, je, vous dis, je, je, suis ça pas à pas chaque matin sauf que maintenant j'ai arrêté toute activité. Je ne fais que suivre ça. Ça m'a pris tout mon temps. Et vous avez entendu tout à l'heure, Tahir disait que le ministère et ses partenaires sont en pied d'œuvre pour mobiliser donc les ressources euh, pouvant permettre euh, de venir en aide à ces populations victimes. Est-ce que vous n'avez pas euh, le sentiment que ces fonds mobilisés sont beaucoup plus dépensés dans l'administratif que beaucoup plus euh, dans l'aide directe justement à, ces populations victimes Non, ça je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer parce que je ne suis pas euh, comment ça se passe euh, les dépenses chez eux. Mais je sais que l'État ne nous a pas laissé les bras croisés. L'État est en train de nous assister. Comme il l'a dit, l'OIM nous a assistés et il y a beaucoup de structures qui sont en train de nous assister. Donc vraiment, nous, on, peut dire que les vrais bénéficiaires sont en train de bénéficier, mais nous demandons aussi que ceux qui nous écoutent puissent les aider, parce que même au sein de la population nigérienne, il y a des gens qui ont suffisamment d'argent pour aider vraiment ce service-là à aider cette population qui est actuellement dans la détresse. D'accord. En cas d'inondation pareille, quel est votre appel à l'endroit d'abord de l'État, des partenaires, et des populations, des hommes d'affaires et des, gens qui ont les moyens dans ce pays. Mais au Niger, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu d'aide de particuliers, d'aide de alors que y a des particuliers qui sont autant, évidemment riches comme l'État, mais qui n'ont pas intervenu, qui ne savent pas qu'un sinistré, c'est quelqu'un qui a perdu tout. Donc, euh, nous appelons vraiment que tout le monde comprenne que cette aide ne doit pas seulement venir de l'État, ça ne doit pas seulement venir des ONG, que tous les Nigériens doivent s'aider pour que en avant on puisse. Tu dans le besoins aujourd'hui, Dieu peut te donner demain. Celui qui est dans la richesse aujourd'hui peut être dans la pauvreté demain. Qu'on le sache. D'accord, votre dernier mot Bon, euh, moi, tout ce que je peux dire à la fin, c'est nous allons mettre l'accent surtout sur la sensibilisation et surtout inviter les populations qui sont surtout riveraines du fleuve Niger, qu'il y a des zones qui sont inconstructibles, vraiment de, quitter ces endroits-là, c'est pour leur bien. Parce que moi, je me souviens, en, en 2014, il y avait même ceux à qui on avait donné des parcelles et ces gens-là refusent de quitter, ils sont toujours là, et c'est toujours, c'est toujours les mêmes, euh, les éternels recommencements. C'est toujours les mêmes victimes, c'est toujours les mêmes sinistrés. Le forum donc de ce soir a porté sur la gestion des catastrophes au Niger. Quelles sont les mesures prises et leur impact Il faut comprendre qu'il faut plus de sensibilisation à l'endroit des populations et à l'État aussi de ne pas laisser à l'abandon ces, ces, personnes victimes. Il faut beaucoup plus impliquer les, vraies victimes justement dans la gestion de ces catastrophes pour une meilleure prise en charge de ces populations. Nous avons eu comme invité donc euh, dans ce forum du studio Kalangou, M. Tahirou Mahamadou. Il est le chargé de la communication du ministère de l'Action humanitaire. En ligne au téléphone, nous avons eu le chef du village de Gabougoura, un village qui a été victime d'inondations. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum demain à partir de 18h15. D'ici là, merci et portez-vous bien.